Population des parcelles assenies unité 1 et 2. Fayou, Mour 1 et 2. Cité Lamine, Grand Thiès, Kerdago, Cité Zengor, Darussalam, Ersan. L'Académie Salamou, c'est l'excellence et l'innovation au service de l'éducation. L'Académie Salamou dispose d'un cycle élémentaire, moins secondaire général, un personnel administratif et enseignant compétent, expérimenté et dévoué font de l'Académie Salamou un établissement de référence. C'est ainsi, pour l'année 2019-2020, l'Académie Assalamou a obtenu d'excellents résultats au BFM et au baccalauréat. À l'Académie Assalamou, l'enseignement des sciences occupe une place de choix dans le dispositif pédagogique. L'Académie Assalamou, c'est un cadre sécurisé, convivial, adapté à un enseignement de qualité avec des effectifs réduits. L'Académie Assalamou, située au parcelles Zassini, en face de l'école élémentaire d'Amané, c'est la solution pour l'éducation de vos enfants. Chers parents, les inscriptions ont déjà démarré. Appelez-nous vite au 78 432 24 88 ou le 70 835 42 16. kon école bu enseignant de qualité T'es di résultat et wóor dama solution pour que vous fa ñu Akademi ya salamu mu amal ay cours de renforcement jaklel ko hamne yi xam ñoy def 6e ba terminal candidat yi xam ñoy def BFM ak baccalauréat Akademi ya salamu dina amal ay cours du soir ngir jappelé len la jëm nak ci examen yoyu kon nak mbokk yi yeen ñi bëgg seen jëduñu doom tamulen l'académie ya